nga xam ne école bi ci lañ yaroo ci lañ màggee ci ci la ñu amee suñu bac tey suñ demee bay génne suñu rak ngeen war a xam ne am nañu lu ñu naqari lool sañoon kenn kenn kenn ci élèves yi fii parce que yéen ñëpp suñu rak ngeen suñu sœur ngeen suñu frère ngeen ñen ñi suñu jarbaat lañu ñen ñi suñu doom lañu kenn du ci am lo kenn du ci am retard ci seen jàng waaye da war a xam ne aussi université seen mag seen rak